Euh, la semaine prochaine, certainement, on va poursuivre maintenant avec Tafa, justement, euh, en parlant immobilier. On change carrément de sujet. On rentre dans le milieu de la construction et ce matin, on va parler de la garantie des vis cachés. Une clause à ne pas négliger dans une transaction immobilière. Oui, parce que quand, déjà, avant de parler de garantie de vis cachés ou bien de garantie décennale, on doit parler de transaction immobilière. Parce que euh, ici, il faut d'abord <laughs> maîtriser euh, les types de ventes qu'on a ici euh, par rapport à la, législation, à la législation de notre pays. Parce qu'on a une transaction immobilière, on a la vente sous sein privé, on a euh, une vente par promesse euh, bancaire, on a une vente euh, notariée ou bien une, vente sous conditions suspensives. Donc, quel que soit les types de vente qu'on a, pu, qu'on a qu'on on doit respecter des clauses. Et parmi ces clauses, il y a la garantie des vices cachés. D'accord. Bon, nous, on ne sait pas trop ce que c'est, mais je suis sûr que tu vas nous le dire. Hein. Bah, bien sûr. Avec... Ah, <laughs> on va regarder ça. Avec la Donc là, vous, savez, c'est une garantie qui implique que jusqu'à deux ans après la vente, le vendeur reste responsable des défauts du logement qui était caché au moment de la transaction. D'accord. Voilà, parce que là, parce que euh, quand vous, euh, durant la transaction immobilière, donc des fois, le vendeur peut cacher euh, des vices. Mm. Par exemple, des défauts, des, que ce soit des défauts d'isolation, que ce soit des défauts par rapport à la fondation ou bien par rapport à, par rapport à la nature du sol. Donc, si vous n'impliquez pas cette clause durant cette transaction immobilière, donc après deux ans, si vous si le client découvre ses défauts, donc il ne peut rien faire. Donc, alors que si, par exemple, cette clause est, est inclue lors de la transaction immobilière. Donc là, on peut se permettre d'avoir des, réclamations. C'est ça. Donc n'oubliez absolument pas cette clause. Elle est extrêmement importante. Donc euh, le conducteur des, travaux est également hyper important. Oui, le conducteur des travaux est hyper, hyper important parce que, par exemple, quand on parle de construction, quand on parle de construction ou bien de déroulement euh, ou de déroulé d'un chantier ou de déroulement d'un chantier, donc là, il faut un homme euh, sur le chantier pour superviser les travaux, superviser les travaux en quoi faisant Parce qu'il faut, par exemple, avoir un lien entre le bureau d'études et les ouvriers. Par exemple, ce sont pas, par exemple, comme le dit souvent mon ami Abekan, qui dit que lui, il a son bon maçon du coin, donc euh, qu'il va confier. il va, confier les travaux de construction. Mais bon, je me dis qu'on a des ouvriers qui sont très qualifiés. Mhm. je -hmm. doute pas. Ici au Sénégal, on a d'excellents ouvriers. Mais ce qu'il faut noter, que, par exemple, il y a des termes qui sont euh, purement technique euh, dans la construction. Donc il y a des choses euh, qu'on doit faire, qu'on doit calculer. comme le plan en béton armé par exemple. Je ne pense pas qu'un ouvrier du coin peut vous établir un plan en béton armé ou bien vous pouvez vous calculer par exemple des, descentes de charge d'un bâtiment. Donc ce sont des choses qui se font au niveau des, des bureaux d'études, mais il faut veiller à l'application. Donc un plan de ferraillage qui a été déjà Calculé, façonné au niveau du bureau d'études, doit être exécuté au niveau du chantier. Par qui Par l'ouvrier, mais sous la supervision d'un conducteur de chantier. On va voir ici sur ces images. On est obligé d'avoir un technicien sur le chantier afin quand même de voir si les calculs faits au niveau du, bureau sont en train d'être exécutés sur le terrain et ensuite venir faire le contrôle de terrain. Parce que la réalisation, on est obligé de venir quand même les assister, parce que ce sont des ouvriers, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des ouvriers spécialisés, mais quand même, ils ont besoin d'un personnel d'encadrement pour voir quand même si les plans sont en train d'être exécutés conformément aux plans. Votre bâtiment sécurisé. Parce que là, il faut donc veiller au respect donc des implantations, des axes et des dimensions qui se trouvent sur les plans béton. Pour Allier quand même performance et compétence, il faut être très efficace sur le chantier, avoir des relations humaines avec les ouvriers, savoir comment les manager et ensuite, une fois au bureau, faire un travail de qualité, venir encore sur le terrain et là, essayer de faire quand même une copie conforme par rapport aux études. c'est... Allez, on revient sur le plateau. Les discussions euh, euh, vont bon train concernant ce sujet qui touche à la construction. On parlait du, conducteur euh, des, travaux. qui est hyper important pour un bon déroulement du, chantier. Et je te pose la question, je te l'ai posée hors antenne. Est-ce que véritablement on a de bons ouvriers Je ne doute pas de la compétence de certains. Mais parfois, quand on voit certains immeubles s'écrouler, on voit qu'il y a autant d'effondrements, euh, la responsabilité de ces ouvriers-là est quand même engagée. Non, on en a, mais il faut juste rendre à César ce qui, appartient à César. Parce que selon moi, par exemple, l'ouvrier, sa place, c'est juste d'exécuter. -hmm parce qu'en amont, il y a l'ingénieur ou bien le technicien qui a déjà fait ses calculs et tout, il donne à l'ouvrier et l'ouvrier exécute. Donc l'ouvrier ne doit même pas décider par rapport, par exemple, au dosage, lors du, lors, quand on gâche le ciment, par exemple ne, doit même pas décider. Donc ce sont des choses qui se sont décidées déjà au, bureau d'études. Donc la responsabilité, selon moi, s'il y a effondrement, il n'y a pas intervention, par exemple, de professionnels. Quand je parle de professionnels, je parle d'architectes, je parle d'ingénieurs, je parle d'ingénieurs en géotechnique, je parle de tout ça. Parce qu'on ne peut pas construire, par exemple, un bâtiment R 3, R 4 sans l'intervention de l'ingénieur. Oui, C'est en général euh, ce qui arrive. Maître, vous avez fait un commentaire très intéressant tout à l'heure sur le sujet. J'aimerais quand même que, vous le <laughs> répétiez pour nos téléspectateurs, parce qu'il n'y a pas que la responsabilité de l'ouvrier qui, est engagée. Oui, c'est vrai, il n'y a pas que la responsabilité de l'ouvrier, il y a également la responsabilité du bénéficiaire de l'ouvrage, hein, parce que très souvent, nous sommes au Sénégal, au lieu de miser sur la qualité du produit, on mise très souvent sur le prix. vous savez, on aime faire le marchandage à bas prix. Alors que bon, moi je pense que la qualité n'a pas, de, pas prix, surtout en matière de construction. Mais il y a également la responsabilité des services de contrôle. Parce que vous savez, quand il y a un contrat de construction, c'est deux parties qui signent le contrat et qui vont loi. Mais au-delà des parties, il y a quand même les services étatiques qui sont là pour contrôler un peu la conformité de ces, constructions par rapport à la législation. Et je pense que ce contrôle doit être beaucoup plus approfondi parce que la plupart aujourd'hui des sinistres que nous connaissons, c'est dû un peu à cette faiblesse dans le contrôle, sur le contrôle. Hein. Ça, il faut je pense qu'il y a énormément d'acteurs qui tournent autour, mais au premier plan, c'est comme on l'a dit, c'est l'ouvrier, parce que l'ouvrier ne doit pas être sous la dictée. Du, du bénéficiaire de l'ouvrage. Techniquement, c'est lui qui a un peu la maîtrise de l'ouvrage je pense que c'est à lui d'orienter on peut le bénéficier de l'ouvrage euh, pour ce qui concerne donc euh, les travaux. va pour finir Oui, pour finir aussi, juste pour parler de qualité des matériaux de construction aussi, parce qu'ici, par exemple, au, Sénégal, euh, sur, l'acier, on a l'acier importé et l'acier local. et là, vous voyez que le prix, la différence, c'est presque le double. Par exemple, quand les 100 kilos de l'acier importé coûtent 46 000 francs, l'autre coûte 22 000 francs. Donc là, ça joue sur la, qualité. Et quand on fait des tests, on voit nettement que l'acier importé est nettement déjà par rapport à la résistance, par rapport à la qualité, par rapport même euh, par rapport au dimensionnement, ça n'a rien à voir avec euh, l'acier local. Construire coûte cher. Alun Badarakan est tout à fait d'accord avec moi. <laughs> C'est compliqué, hein, c'est un vrai euh, casse-tête. Ça donne rapidement des cheveux blancs, je vous dis. Hein. <laughs> Ça nous donne des cheveux blancs carrément. C'est pour cela quand, quand, on s'y engage, on n'a qu'à faire de très bonnes choses. Et puis engager les personnes qu'il faut, engager les professionnels, engager l'ingénieur ou bien l'architecte. Ne surtout, pas tout confier aux maçons du coup. Non, j'ai compris la démarche subtile de votre part. Je, viendrai, je viendrai vous voir après. Hein. Et surtout trouver les moyens pour le faire. Merci beaucoup Tafa pour cette chronique on a parlé de la garantie des vices cachés, une clause à ne pas négliger lors de la transaction immobilière, pensez-y. Et puis du conducteur des travaux, il est également incontournable dans le dispositif. On fait le point sur la circulation maintenant avec talibi.sn. Regardez, là on est à l'intersection Casino, Liberté, beaucoup de circulation. Euh, si vous empruntez cette voie, eh bien il va falloir être patient sur euh, la route dans les deux sens. Vous voyez, il y a beaucoup de voitures et beaucoup de circulation en ce euh, moment. Merci à talibi.sn qui nous accompagne. Hein. Euh, là, on est au rond-point de la RTS, euh, juste en face, hein, devant. Voilà, exactement. Bon, à cette heure-ci, quand même, ça va. Ça roule plutôt bien. Un peu plus tard, certainement, des embouteillages, comme tous les jours ouvrables. Anul Madarakan me rejoint maintenant. Tafa, tu reprends ta place on va maintenant euh, parler de tout ce qui touche aux droits de l'homme avec notre invité de ce matin, Maître Papassen, qui est avec nous. <laughs> Et je vous le disais, c'est le président du comité sénégalais des droits de l'homme. L'atelier de renforcement des capacités euh, pour le respect des droits humains dans le secteur des industries extractives, c'est pour les 18 et 19 août prochains. Et l'occasion donc pour nous de revisiter un peu tout ce qui touche aux droits de l'homme ici au Sénégal, n'est-ce pas Alioune Badar Et comme vous l'avez parfaitement euh, bien résumé, en tout cas c'est un prétexte, une occasion pour nous pour en tout cas revenir sur un peu cette question importante est le respect des, des droits de l'homme euh, d'une manière général à travers le monde et surtout euh, pour le Sénégal qui nous concerne euh, au premier chef. Euh, maître, peut-on dire qu'au Sénégal, on a des raisons d'être fiers pour ce qui concerne en tout cas le respect des droits humains ou bien a-t-on encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire Bon, M. Khan, vous me permettrez d'abord de remercier le directeur général de la RTS. je dois rappeler que la RTS est un partenaire quand même privilégié du Comité sénégalais des droits de l'homme parce que euh, ce sera sous mon magistère la deuxième fois pour un atelier que la RTS nous accompagne euh, pour donc la réussite de cet événement. Euh, je dois également remercier l'ensemble des travailleurs de la RTS, qui, en particulier Kinkeliba, qui, qui m'a reçu ce matin sur ce joli plateau. Et je viens de découvrir énormément de choses, hein. ça il faut le dire. Et je profite également de l'occasion pour euh, saluer et féliciter l'ensemble des membres du personnel du Comité sénégalais des droits de l'homme parce que nous sommes à deux jours de cet atelier. Et ils ont abattu un travail extrêmement important parce que nous sommes partis de l'élaboration d'un projet mhm. et qui, au finish, a été financé par l'Organisation internationale de la francophonie. Et si cela a été fait, c'est grâce au dynamisme, mais également à la compétence des uns et des autres. C'est pourquoi bon, je saisis cette occasion pour féliciter encore une fois de plus sur ce plateau. Oui, euh, nous avons des raisons d'être fiers, hein, M. Kahn. Je pense mhm. que ça, ce n'est plus... Euh, c'est connu de tous. C'est de notoriété publique que le Sénégal est une grande démocratie, hein, ça il faut le dire, où les droits de l'homme sont, sont, quand même respectés. Parce que ça, c'est un héritage euh, depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Et la meilleure illustration euh, d'avoir une fierté pour notre pays en matière de protection des, des droits de l'homme, c'est un peu cette institution euh, le comité sénégalais des droits de l'homme en est une illustration. Mm. Mais il faut comprendre que le Sénégal est toujours au rendez-vous euh, je peux même dire, euh, il, est présent euh, dans les grands rendez-vous pour ce qui concerne les droits de l'homme. Vous le savez, le Sénégal a presque ratifié toutes les conventions internationales concernant le respect des droits humains. Et même la création de ce comité sénégalais de droits de l'homme résulte d'un engagement de l'État du Sénégal par rapport donc aux Nations Unies. C'est pourquoi moi j'ai dis aujourd'hui nous avons des raisons d'être fiers parce que nous avons mis en place les mécanismes, les organes qui permettent permettre un peu de mhm. prendre en charge la question des droits de l'homme. C'est vrai que mhm toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Il y a toujours quand même des insuffisances, mais cela n'annihile pas un peu les efforts mhm. et la dynamique euh, du Sénégal par rapport euh, à cette question des droits de l'homme. Euh, bien sûr. Et puis, Maître, donc, vous venez de parler d'efforts, en tout cas les efforts que le Sénégal a déployés pour faire respecter davantage les, droits humains dans notre pays, en tout cas ici. par rapport à cela, quel a été un peu, disons, l'apport du comité sénégalais des droits de l'homme que vous présidez Est-ce que le comité a pu faire avancer la cause des droits de l'homme au Sénégal oui, euh, euh, je voudrais rappeler d'abord que le comité sénégalais des droits de l'homme est, né dans un contexte euh, particulier hein, parce que c'est suite à une résolution des Nations Unies et ça remonte aux années 70. Et c'est en 93, 97 qu'une loi est venue un peu euh, euh, modifier, réformer le statut et le fonctionnement du Comité sénégalais des droits de l'homme. Mais en termes très concrets, euh, le Comité sénégalais des droits de l'homme est aujourd'hui le premier conseiller de l'État en matière de droits de l'homme. Et si vous revisitez la loi de 1997, vous verrez que le comité est investi dans un certain nombre de missions allant dans le sens un peu d'évaluer euh, les performances de l'État en matière de promotion, mais également en matière de protection des droits de l'homme, parce que ce sont les deux missions fondamentales, de façon générale, qui sont donc dévolues à ce comité. La promotion, mais également la protection des droits humains. Et la création d'un observatoire, par exemple, pour le respect des droits humains dans le domaine des industries extractives est un exemple on peut de ce que fait le Comité sénégalais des droits de l'homme pour accompagner l'État du Sénégal dans sa dynamique de prise en charge de la question des droits humains. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons donc organisé euh, cet atelier. Le Comité sénégalais des droits de l'homme a fait beaucoup de travaux hein, et est présent sur, beaucoup de questions par rapport aux droits de l'homme. Nous organisons des ateliers, nous organisons des séminaires, mais également nous accompagnons l'État au niveau donc euh, de la tribune des Nations Unies quand il faut présenter un peu le bilan du Sénégal par rapport donc aux, droits de l'homme. Et je pense que c'est ça le rôle fondamental euh, du Comité sénégalais des droits de l'homme, être l'interface entre l'État et la société civile pour une prise en charge correcte et complète donc, euh, des droits humains. Et la création de cet observatoire qui nous vaut aujourd'hui donc, la tenue de cet atelier est aujourd'hui une illustration parfaite un peu de ce que le comité doit faire par rapport aux citoyens, mais également par rapport à l'État. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir un peu sur euh, l'atelier avec cet observatoire et tout. Et, vous, et à partir de ce moment, vous, comprendrez un peu l'utilité fondamentale donc, euh, de, ce, de, cette institution qui, je le rappelle, hein, a un peu souffert euh, de sa connaissance au grand public. Ça, il faut quand même le reconnaître. Surtout pendant la période 2000-2012, il y a eu un flottement extraordinaire par rapport donc à ce comité qui a fait que sa visite a été un peu anéantie. Vraiment, cette période a été la période <laughs> que le comité n'oubliera jamais, sitôt de 2000 à 2012. Bien sûr. Mais, maître, est-ce que vous avez les coulées franches quand on sait que pour vous présidez ce, comité, alors que vous devez en tout cas votre, votre poste à la suite d'un décret présidentiel, quand on sait que vous devez être un vrai régulateur, parce que la question des, droits humains interpelle en tout cas tous les acteurs de, de ces pays, que ce soit l'État, la, société civile et les autres membres de, de ces pays. Mais vous, vous êtes installé par un décret présidentielle. Est-ce que cela, quelque part, ne limite pas, ne, vous freine pas dans vos actions ah, En fait, c'est une question extrêmement importante hein, parce que ça, ça, ça, ça, fait un débat un peu partout. Mais je dois rappeler d'abord, en tant que légaliste, que c'est la loi. C'est la loi qui dispose que le président du comité sénégalais des droits de l'homme est nommé par décret. Et ça se passe ailleurs, hein, au Maroc, en France. Donc, euh, généralement, les présidents sont nommés par euh, le président de la Et je tiens à rappeler également que le premier défenseur des droits humains, celui qui a en charge en premier la protection des droits humains dans un État, c'est le président de la République. Donc si le président de la République nomme le président du comité sénégalais des droits de l'homme, a priori, ça ne doit pas poser de, problème. Moi, je pense que cela pose la problématique de l'indépendance. Mais il faut un peu comprendre la composition de cette institution ce n'est pas une institution qui dépend forcément de la personne et de la seule personne du président qui la dirige. Le président est certes là, c'est la personne morale, mais le comité est composé d'un certain nombre de membres, est tellement diversifié. et dans le texte même, on parle de composition pluraliste. Vous y trouvez les membres de la société civile, notamment les organisations des droits de l'homme, parce que c'est 29 membres. Vous y trouvez l'Assemblée nationale, vous y trouvez également la médiature, même le Haut Conseil, euh, le conseil de l'audiovisuel, vous y trouvez les syndicats, les groupements de femmes, vous y trouvez l'université, le barreau, la justice avec la Cour suprême. Bref, il y a une composition pluraliste qui fait que véritablement la seule personne du président ne peut pas, d'une certaine façon ou d'une autre, influencer le fonctionnement d'autant plus que c'est un organe qui prend ses décisions, soit par consensus ou bien par vote. Donc moi, je crois que c'est un débat qui est assez intéressant, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la nomination du président du comité par le président de la République, qui est le premier garant et le premier protecteur des droits humains, en soi ne saurait constituer un obstacle pour donner à ce comité, euh, restituer à ce comité son véritable dynamisme. Et je pense que la question de l'indépendance, on la pose un peu partout, notamment au niveau de la justice. Mais il faut retenir qu'au-delà des textes, la question de l'indépendance est une question personnelle, purement personnelle. Et moi, je suis avocat de formation, je l'ai dit, je le redis, euh, par principe, l'avocat est indépendant. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va rompre avec cet instinct d'indépendance, cette formation que nous avons reçue par rapport à notre profession. Je pense que cela doit être renforcé par le comité sénégalais Mais n'oublions pas également que nous sommes une institution nationale. Ça également, il ne, il ne faudrait pas qu'on le perde de vue. Parce que bon, les gens se réfugient derrière ce concept d'indépendance très souvent, mais l'indépendance ne signifie pas également fouler au pied l'ensemble des règles qui sont établies pour prendre Mhm. une institution de surcroît nationale lui rende son fonction, lui donner donc son fonctionnement normal. Je pense qu'il faut concilier les deux. Et puis bon, nous n'avons pas de problème particulier jusqu'à présent à ce niveau. Dieu merci. Bon, nous faisons notre travail. Cette précision, en tout cas importante, va rassurer les droits de lobbyistes hein, du, Sénégal et du monde du manière tout À fait, Alors les 18 et 19 prochains, donc vous allez organiser un atelier consacré au respect des droits humains dans le secteur de l'industrie extractive. Euh, pourquoi euh, ce secteur alors qu'on sait que la question des droits de l'homme quand même intéresse tous les secteurs, disons, d'activité de ces pays tout à fait. Euh, Monsieur Kahn, vous, savez, euh, quand on parle de droits de l'homme, les gens pensent très souvent euh, à, des questions liées, c'est important, hein, à des questions liées peut-être à des arrestations au niveau des lieux de privation de liberté. Mais la question des droits de l'homme, elle est plus vaste que cela. C'est vrai. Et le Comité sénégalais des droits de l'homme est, aujourd'hui là pour montrer aux Sénégalais hum. que ce qu'on pense être la question des droits de l'homme, en réalité dépasse cela. Et nous avons des questions extrêmement importantes qui ne sont pas très souvent prises en charge. C'est la question effectivement des droits humains avec les industries extractives. Comment concilier le développement économique et social à partir du développement des industries minérales à partir un peu de ces grandes multinationales qui sont un peu partout à travers le pays. Vous allez à Matam avec les phosphates de Matam, vous allez à Kédougou, à Sabadola, vous allez à Thiès, vous allez à Ziguinchor également. Voilà des structures qui sont là et qui sont d'un apport extrêmement important, et hein, ça il faut le dire. Mais très souvent, on oublie qu'à côté de ce développement économique et social, qui est bien pour notre pays parce que nous en avons besoin, parce que je tiens à rappeler que le secteur minier constitue un des piliers du plan Sénégal émergent. Et aujourd'hui, nous tenons à ce plan Sénégal émergent qui est notre référentiel en matière de développement pour une décennie. Donc je pense que sommes, le comité sénégalais des droits de l'homme n'est pas là pour remettre en cause un peu l'utilité, l'importance de ces structures, de ces entreprises en matière d'extraction minérale, mais il est là pour un peu trouver le, point, le, le trait d'union entre un développement économique, social, durable et le respect des droits humains. Parce que c'est fondamental. On méconnaît souvent ce volet respect des droits humains. Et il est du rôle du Comité sénégalais des droits de l'homme, en tant que premier conseil de l'État, de jouer sa partition par rapport à ça. Faire de telle sorte que la question de, la promotion et de la protection des droits humains dans ces secteurs, surtout le secteur extractif, soit pris en charge. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons organisé cet atelier et nous tenons à remercier l'OIF qui a bien voulu financer donc, euh, cet atelier et remercier également l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers parce que nous avons quand même euh, euh, des partenaires financiers diversifiés. Très bien. Merci beaucoup. Madame, vous avez bien, bien, respecté hein, votre, disons, ah votre profil profil d'avocat, parce que tout <laughs> simplement, vous avez aussi profiter à merveille de notre tribune. Hein. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup. Les autres Merci, on va attendre la deuxième partie. Merci. Lorsqu'un journaliste et un juriste se rencontrent, c'est ce que ça donne. Hein. Allez, dans la deuxième partie, d'autres questions également pour notre invité ce matin. N'oubliez pas, les deux chroniques à venir également dans cette deuxième partie. Jeunesse et action avec Aïssatou. On va reparler de la journée mondiale de la jeunesse. Et puis, on a qui a fait le tour euh, d'Internet pour nous, les réseaux sociaux, entre autres, pour voir ce qui fait le buzz actuel pour l'heure, voici le clip du jour. A tout de suite. Bon, gars, il faut changer mon souvenir. Retour donc sur le plateau de Quinqueliba. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. On est heureux de vous savoir euh, fidèle à ce rendez-vous. Il est 7h27 et on vous accompagne jusqu'à 8h. On va passer maintenant au journal. Le journal avec René Léon, voici les titres de cette édition. Dépôt de candidature pour le Haut Conseil des collectivités territoriales. 38 listes vont aller en compétition. On ira également en Zambie où le président sortant Edgar Lungu a été réélu dès le premier tour des présidentielles. Enfin, JO 2016 en perche. Retenez que Renaud Lavillenie a perdu son titre cette nuit, n'est-ce pas René Tout à fait Sarah, mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue. On parle d'abord de la clôture des dépôts des candidatures pour le Conseil des collectivités territoriales. C'était ce dimanche à minuit sur l'ensemble des 45 départements que compte le Sénégal. 38 listes vont aller en compétition. Ces listes de partis politiques, coalitions de partis et d'entités indépendants ont été déposées à la direction générale des élections. À noter qu'aucune liste n'a été foreclose. Tierno Amoudsi. 22 heures Direction générale des élections. À la salle de conférence, une grande affluence. Dans deux heures, l'enregistrement des candidatures pour le Haut Conseil des collectivités territoriales sera clôturé. Dans le couloir, des groupes qui attendent leur tour et de nouvelles listes qui arrivent. Il est 23h40. Il fallait prendre quand même le temps de, bien recevoir les dossiers de candidature qui viennent de 44 départements du Sénégal. Vous savez que ce n'est pas évident, donc euh, il fallait assister les camarades donc à faire acheminer leurs dossiers, euh, faire les rectificatives, les arbitrages, mais également remplir donc, euh, tous ces dossiers. Voilà, donc c'est ce qui fait que nous arrivons vraiment chargés. Ici, les arrivées et les sorties se succèdent c'est le cas de cette coalition qui vient de finir avec la commission de réception. On a déposé dans la sérénité, dans la tranquillité. Et heureusement pour nous, nous n'avons aucun dossier qui a été rejeté pour le moment. Et tout a été bien fait. À présent, l'horloge entre en jeu. À cette heure, aucune liste ne sera reçue. La commission de réception des candidatures travaille uniquement avec les partis politiques, les coalitions de partis ou les listes indépendantes dans la salle. Avant minuit, en tout cas, tous les euh, mandataires des listes étaient présents dans nos locaux pour procéder au dépôt. Donc on n'a pas connu de retard par rapport à ça. Et au dernier pointage, nous avons donc pu enregistrer 38 euh, dépôts constitués par euh, cinq coalitions de partis. 16 entités regroupant des personnes indépendantes et 17 partis politiques. À 2h00, l'heure du bilan arrive. Il est satisfaisant. Les travaux se sont déroulés dans une grande convivialité. Non, non, dans la sérénité, dans la convivialité, mais dans le respect des normes également. Chacun a fait preuve de responsabilité et de, sérénité. Fini la phase dépôt de candidature pour le Haut Conseil des collectivités territoriales, partis politiques, coalitions de partis et listes indépendantes attendent un autre rendez-vous. C'est le jour du scrutin prévu le dimanche 4 septembre 2016. Autre titre, ce matin, la fête de la 15 août, la montée de la Vierge Marie au ciel, célébrée hier dans le monde entier à Ziguinchor. De nombreux fidèles ont assisté à la cérémonie. L'évêque de Ziguinchor, Paul Abel Mamba, a rappelé le sens de cette solennité. Voyons tout cela avec euh, Moussa Mané. La Vierge Marie, modèle de foi et de charité, est ainsi fêtée solennellement par les chrétiens de Ziguinchor consacrée à la gloire et se présente sous les traits d'une femme exceptionnelle, fidèle dans sa foi, associée à l'œuvre du Christ. Elle est aussi signe d'espoir pour le bonheur des hommes sur terre. C'est ce modèle qui est proposé aujourd'hui. Pour la célébrer, nous devons contempler sa vie donnée au service du salut de l'humanité en se mettant à la disposition de l'enfant qu'elle a mise au monde. Modèle pour tout fidèle chrétien, un disciple du Christ stimulant tout croyant. La Vierge Marie a été proche de Dieu par sa foi servante, ce qui lui a préservé des forces du mal. Marie que nous célébrons aujourd'hui n'est pas une divinité. Elle est une femme de son temps une croyante appartenant au peuple d'Israël, portant sa foi et son espérance à l'avènement de Messie qui viendrait sauver l'humanité. Et sur cette foi qu'est fondée sa vocation d'être servante du Seigneur. Cette fête pour moi et tous les frères et sœurs chrétiens représente une grande fête puisque c'est l'Assomption, c'est-à-dire la montée de la Vierge Marie au ciel. L'évêque nous a permis de vivre une sainte messe. Comme Marie, ses fidèles chrétiens ont donné leur oui à Dieu le jour de leur baptême. C'est ainsi qu'ils sont appelés à emboîter les pas de la Vierge pour avoir le salut éternel on en vient à l'actualité. À l'étranger, en plus bref, en Zambie, le président sortant Edgar Lungu a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle avec plus de 100 000 voix d'avance. Lungu l'emporte sur son rival Akande Itilema, le candidat du Parti unique pour le développement national d'ailleurs. Il compte contester ce résultat devant la justice. Il dénonce, je cite, une manipulation. Et puis au Yémen, je vous le disais, un hôpital de médecins sans frontières dans le nord du pays a été touché par une frappe aérienne de la coalition arabe alliée au pouvoir en exil. Au moins 11 personnes sont mortes, dont un membre de MSF. C'est la quatrième attaque en moins de 12 mois ah. contre un des sites de Médecins sans frontières. Cette fois-ci, le raid a visé un hôpital de la ville d'Apso, nord du Yémen. L'ONG y travaillait depuis juillet 2015. Tous les patients et soignants survivants ont été évacués. Qu'est-ce qu'ils pensent trouver dans un hôpital à part des malades et des blessés Il n'y a rien d'autre que des patients, des personnels hospitaliers, des membres de Médecins sans frontières et des soignants yéménites. Selon les habitants, la ville était visée depuis plusieurs jours par les bombardements de la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite. Samedi déjà, une école a été frappée dans une autre région rebelle au nord du pays. Un bombardement au cours duquel une dizaine d'enfants a été tués. Après le raid contre l'hôpital ce lundi, MSF a publié un communiqué et demandé aux belligérants, en particulier à la coalition menée par Riyad, de s'engager à ce que ces attaques ne se reproduisent pas les coordonnées GPS de nos structures euh, de santé, celles où on travaille, celles que l'on supporte, sont euh, euh, transmises aux deux parties. Cet hôpital était identifié et l'activité hospitalière et le soutien qu'MSF apporté à cet hôpital était connu, que, ce soit de la coalition ou que ce soit des rebelles. Partisans de l'ancien président Ali Abdallah Saleh, les rebelles outils se disputent le pouvoir depuis 2014 avec les forces de l'actuel dirigeant Mansour Hadi, soutenu par la coalition arabe. En 18 mois, la guerre a fait plus de 6400 morts et des dizaines de milliers de blessés, dont de nombreux civils l'actualité des Jeux Olympiques. On ouvre la page brésilienne à présent et on parle de l'élimination de Amadou Ndiaye aux 400 mètres et l'athlète sénégalais a terminé à la sixième place. Pour lui, c'est un manque de compétition qui s'explique, qui explique sa contre-performance toutefois. Il se réjouit d'avoir réalisé un temps inférieur à 50 secondes. Abdoulaziz Ban. Dans cette course, Amadou Ndiaye a terminé à la sixième place sur les huit qui ont pris à cette série aux 400 mètres et L'athlète explique rang par un manque de compétition. Ça fait un mois que je n'ai pas fait de compète. Ah, là, c'était un peu stressé au départ, mais ça va quand même. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai fini fort, mais là, parce euh, que c'est un manque de compétition. Pas de record battu pour l'athlète sénégalais, mais Amadou est satisfait d'avoir couru en deçà des 50 secondes. On ne peut pas venir court-court battre, son propre record. On, essaie de battre notre record. mais finalement, on a fait 49 C'est bon, on est sous les 50 secondes. Je suis content et je remercie tout le monde. Amadou Ndiaye dit avoir acquis de l'expérience sur sa première participation aux Jeux Olympiques, une manière pour lui de bien préparer les autres compétitions. Et puis sachez que le Français Renaud Lavillini a perdu son titre olympique cette nuit au profit du Brésilien Thiago Bras da Silva, il a explosé euh, de plus de 10 cm son record personnel à la perche. Da Silva ramène donc au Brésil sa toute première médaille d'or en athlétisme depuis 1984. Ainsi va l'actualité de ce mardi matin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. N'oubliez surtout pas l'information, c'est aussi en continu sur rts.sn et sur l'application RTS. Très bonne journée à tous et à demain, mercredi Sarah. C'est ça, tout à fait. Merci, beaucoup René Léon. Euh, déterminé également sur cette note historique pour le Brésil, on reparlera des Jeux de Rio avec Abdulaziz Ban avant la fin de ce magazine. Restez avec nous. On fait rapidement le point sur la circulation avant la pub. Regardez ces images-là, on est sur la VDN. Alors, dans les deux sens, on voit quand même que la circulation est assez fluide, ça roule plutôt bien. Euh, oui, voilà, bon, quelques images que vous découvrez comme ça. Il est 7h38, hein, on poursuit au rond-point ONU. De face. De face, exactement. Allez, on voit. Bon, il y a quand même beaucoup de circulation. Bon, je fais comme ça pour essayer de, de regarder. J'ai l'impression que je peux voir même au-delà. On enchaîne maintenant avec la pub et on revient pour la deuxième partie de ce magazine. À tout de suite. union nationale bu pâtissienne dajaleel ma fukki xott ak juróom yu tabletu Adja mami dolli ak ami def ko ci enveloppe bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yónnee ko Sen BP 185 Dakar mbaa nga dugal ko ci boy ji ñu jagleel pom yi te nekk ci boutique yi marché yi wala boog camion d'animation yu pâtissienne yi mën nga caa gañ ay ration pâtissienne ba mu neex frigo congélateur téléviseur chambre à coucher bi nag waaye des na kër gu yànji gi nga xam ni képp kuy borom kër moo la tere nelaw xanaa nee nga dama ni ak promo C'était la pub sur la matinale Kéliba et c'est Aïssatou qui me rejoint maintenant pour la chronique Jeunesse Action. à Lune Madarakan, tu lui cèdes ta place. On va parler maintenant de la journée mondiale des jeunes et de la jeunesse de manière générale. Aïssatou. Oui, ça, va, va, Ça va et toi D'accord. Et aujourd'hui, d'abord, on va démarrer avec quelques réactions des jeunes sur l'emploi. Euh, c'est en marge de la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse et c'était le 12 août dernier. Voilà, le vendredi, beaucoup de jeunes euh, ont préféré faire la fête. D'autres se sont réunis en association. Mais pour ces syndicalistes de l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal, les jeunes se sont rencontrés un peu pour parler euh, du sujet qui est d'actualité et sur l'emploi des jeunes. On va suivre les réactions et puis revenir. La journée du 12 août, journée internationale de la jeunesse, est pour nous un moment de recul dans nos centrales syndicales pour essayer de voir dans nos pratiques au cours de l'année qu'est-ce qu'on a fait en faveur de la promotion euh, de l'employabilité des jeunes au, niveau de nos pays. Le problème des jeunes, ce n'est pas juste l'emploi. On a tendance à parler d'emploi. Mais...